messieurs, bien le bonjour. Merci euh, d'être venu. On se retrouve aujourd'hui, deuxième incursion de la semaine. Actu Show, Ninkaï avons Dembo Bini, Ternag Moussa Diagne, euh, J'aurai le plaisir de recevoir un confrère, un frère, Bachir Fofana, il se nomme. Nous euh, Nekondo, dans ce milieu de la presse sénégalaise. D'où nous faisons Parce que. Il euh, neex tey ku nekk nekk journaliste dafay neex tey ku nekk nekk chroniqueur dafay neex tey ku euh, autoproclamé ou analyste mais daf ci nek pour man grade la mhm. euh, da ngay dugg ci métier bi euh, di def ak mag comme mbay mi ñu rob Nak demb mhm. nga nek sen wet ñu lay jangal di la expliquer ngay di tarbiyu si <coughs> ci parce que da ngay reporter di dem di dem ba nek chef d'édition nek chef de desk et cetera et cetera ba yéeg ñu ñëw ñu la dénk nañ la lii. Mhm. Euh, tey nag euh, li ñu gis mooy ni que ni depuis pratiquement une dizaine d' années da nga gis koo xam ni day génn école tey nekk patron tey wala koo xam ni sax à la limite jaarul sax si école day xëy benn jour rek nga gis que mu fa la ñëw taxaw ñun la il est le meilleur ba pare Sénégal nekk pays boo xam ni c' est clivant. boo bokkee boor bi baax nga boo bokkee boor bee euh, bon nga loolu la ñuy dund actuellement.

bi ñu la waxee dimanche da nga ne ma noo comprendre yow boo soxlaa damay ñëw euh, merci pour ce honneur là bi euh, mu ñu defal euh, répondre tey suñu invitation. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ñu ñuy seetaan ak fu waay ti nekk am mbégte toog fii am plaisir jàkkaarloog yow grand benn ndaxte àdduna noonu la ñun lu ñuy wax ñun ba ñuy dugg ci métier bi. Mm-hmm. yéen dañ leen fekk yéen ngeen nekk des journalistes confirmés ñu leen daan déglu ba ñu nekkee ñun ay élèves nekk di jàng wala nekk ci leneen. Mhm. ndaxte bu benn maxtaar di nekk correspondance Sud FM. tey jii bëri na ñoo xam ne ñii nii ci dëkk bii nii juddoo gu ñu woon. Mhm. donc euh, je raconte souvent que am na benn incident bu amoon université Gaston Berger. bu ko sénégalais jotee benn maxtaar moo ko jottali woon xaw ndax yaa ñu fàttaleeku wasifa bu amoon ba ñu tasoon ko diggante ñi nga xam ne ay ibaadu lañu woon ci biir université Gaston Berger mm-hmm. ak euh, taalibe tidiane ñu doon def seen wasifa ci biir jumaa et pour la petite histoire tey jii nii ñàkk a defoon tey ñoo nekk ci nguur gi mais xam nga yaa ngi reetaan <laughs> c'est ça le vécu mais loolu loolu ñu bare boo koy wax sax dinaan la musul am musul am et pourtant ay ibaadu dem nañ fii nii fekk wasifa ci biir université bi ca jumaa ñu ah. tas ko mm-hmm ba ñu ko solidarité aidant Talibé mouride ñoo ñew wër tidiane yi pour ñu pour ñu wasifa mais ça nous on l'a vécu mais on l'a vécu comme si nous y étions pourquoi parce qu'il y a eu un journaliste qui s'appelle Ben Makhtar Diop bo xamné ne daf ko couvrir ñu dund mu ko mm-hmm. mais loolu c'était ay 96 97 tout à fait donc xam nga loolu du mm-hmm. donc ñaka ko defoon ca jamono jooju tey ñoo nek ci nguur gi pour dire pour la petite histoire donc ça veut dire que quelque part c'est un plaisir qu'on xam dang ko dan deglu diko deg di naw muy def mm-hmm. dem ba fait métier choses, ak di liggéey ngeen dem ba di collaborer mm-hmm. bu la dama soxla mm-hmm. donc c'est un honneur pour nous de répondre toutefois à toutes les fois que Ben Makhtar a besoin de nous C'est mo waral tay ñu ci télé ñaanal sénégalais yi ñu koy seetaan lu ñu fi waxtaanee mu doon loo xam ne day jëriñ ñu ñu koy déglu. waaw mais mais mais aussi xam nga. Euh, may di wax Bachir di nga jàpp nit euh, ci ay valeur dëgg la. parce que peut-être c'est l'occasion. bi mm-hmm. sa waajur bu gën génnee àdduna. Mm-hmm. Euh, bi ma ñëwee seen kër gis naa nit ñi fi ñu la teg. dëgg la. gis naa itam ni ñu doxalee ci wàllu diine début ba fin. dëgg la loo xam ne Maroc rek laa ko doon gisee. Mhm. nit ñi ñëwuñu pour lekk laax ñëwuñu pour waxtaan. Mhm. bi ñu ñëwee ku nekk kaamil lañ la tegal. Mhm. ñu jàng kaamil ba mu jeex. ñaan li ñuy ñaan ku nekk jóg dem. dëgg euh, si ngay rendre compte que ni. Euh, kii ci diine lañ ko yar. effectivement et que nag ak rabbikum euh, lu muy def. ci dëggam la koy teg. Mhm. mën na ci nag wéet li di wax. Mhm. mais xëy na ëllëg dinañu dinañu mën comprendre. loolu itam c'est important. effectivement xam tax c'est important da nga may permettre ma rendre hommage sama wayjur gis nga man sama pap gendarme la woon yow nga xam ne def nga britannie militaire. Mhm. tu connais la rigueur militaire. donc dañ lay yar ci rigueur ci respect ci discipline. mais malgré loolu il a toujours été démocrate démocrate mo doon tax ay soxnam yëpp toog ay doomam yëpp toog mu wax lu muy xalaat ba pare mhm. mu ne si quelqu'un a quelque chose à dire je l'écoute mhm. si quelqu'un a quelque chose à dire je l'écoute moo tax chaque jour nit di ma naan mais yow da le dëgër fit may leen noonu fit parce que man sama bàyyi dafa taxaw ma wax lu ma xalaat bàyyi keneen du taxaw ma ragal wax lu ma xalaat sama pap loolu la ma yare mhm. dañoo yaru ci loolu dañoo yar ci respect nit respect kilifa mais téréwul li nga wara wax da nga koy wax. dañ naan tok pa bi wax ba paré ñu ne ko papa on n'est pas d'accord. boo ko ah tu n'es pas d'accord mu ne la waaw nga ne euh, nga ne ko waaw mu ne bon je t'écoute. nga expliquer nga expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. si tu arrives à le convaincre. mu ne la ok tu m'as convaincu li nga wax on va le faire le ma bëggoon je laisse tomber. si tu n'arrives pas à le convaincre au moins il t'a écouté. Mhm. donc ñun si non lañ màggee ci loolu la ñu yarew moo tax chaque jour ma naan leen man gisuma mbindeef buy taxaw sama kanam ba ma am lu may tiit ba du ma la wax lu ma xalaat. dinaa fexe nag ba bu ma la koy wax mu am yar ak teggin ak worma. te loolu mooy lu am noonu la à la base Bachir il est journaliste. bon à la toute la rigueur. voilà à la base d'abord Bachir n'est même pas journaliste à la base Bachir est archiviste documentaliste loolu c'est quelque chose que je dis pas souvent mais j'ai commencé d'abord par faire une formation de documentaliste d'archiviste à l'EBAD. Mm Professeur que vous connaissez très bien, a été mon professeur. Qui mhm. était la directrice des archives nationales, Fatoumata Diara. Nous avons même promo. Donc, à la base, j'ai commencé par faire ce qu'on appelle les métiers des sciences de l'information. Vous savez, sciences de l'information et sciences de la communication, beaucoup. Donc, on a commencé par faire les métiers des sciences de l'École. Très sélectif aussi. Très sélectif. Très sélectif. Et je me, je me souviens que de concours, nous étions 700 à faire le concours. Mm-hmm. Et à la fin, nous étions que peut-être 52 ou 61 fédules. 51 Fadjel avec 10 euh, listes d'attente. Et j'étais arrivé deuxième à ce concours. Mm-hmm. Voilà, donc non la Dougué EBAD. J'ai fini ma formation et je suis allé faire une formation en journalisme après bon amna ñoo xam def nañ par exemple euh, suñu nos Oumindour Ndour même parcours bobu la def Mom mhm. mo jitu won ebat. Diop à la RTS même parcours bobu la def voilà très bon Sadibou Maron bu nekkoon euh, Le Soleil mom tam sans frontières voilà aujourd'hui il est à reporter sans frontières parcours bobu la def mhm. Malik Babou ñeneen ñoo xamné Malik Ba bu RFM. te après nekkoon Walfadiri. Mm-hmm. Malik Ba aussi ñun ñoo promo. Mm-hmm. Georges Déthié Diop bi nekk tay RFM ñun ñoo bokkandoo première année deuxième année avant ñuy dem jangui journalisme. Mm-hmm. donc ñun parcours de lañ def. ce qui fait que dañuy am un vécu par rapport à comment rechercher l'information où trouver l'information. comment extraire l'information comment la résumer nga xamné ne moy suñu métier fenen léna ñu ñëw maintenant dans la communication le journalisme comment diffuser l'information mm-hmm. donc dañuy am une ambivalence bobu nous, am mené bor bi mené bor bele nga jëm si yalla euh, c'était ça. effectivement moom lon def mairie Dakar. effectivement pas mal de gens ne savaient pas. il est sorti de l'EBAD. voilà Hélène Tine député est sorti de l'EBAD par exemple. Mm-hmm. donc effectivement c'était une grande école c'est une grande école bataille. Parce que l'avantage de l'EBAD Moduni, ça te permet d'être pluridisciplinaire et complémentaire. Parce que dans les jungles, nous avons jungle droit, économie, gestion. Après, ben quand on jungle, tu étais là à te dire, mais lui, les jungles, lui, les alors que dañ la waroon de la bibliothéconomie l'archivistique la diplomatique euh, la documentation la gestion du centre de centre documentation mais après si commencé liggéey à c'est un métier qui peut mener à tout qui peut te permettre de, de passer. mais surtout di jox euh, particularité. oui vois euh, la gestion de l'information exactement la confidentialité. exactement parce que parfois on dit que loo xam ni di nga ko lit xam mais lu mais droit non parce que effectivement dañ lay c'est quoi le document C'est quoi les types de documents. ki mhm. les lay c'est quoi les délais de conservation des documents c'est quoi les délais de diffusion des documents. Mhm. di nga dans l'espace public. voilà moment donc loolu yëpp dañ la koy jàngal boo ko ba pare nga xam lu nekk mhm. après nga xam noo utiliser. effectivement ça fait partie des choses day tax yow ko. ko. def di parce que da ngay xam beaucoup de gens mën na am lu mu lot ci toujours une anecdote Dans le journal enquête euh, ma def un article sur l'armée ba ma defee article le lendemain euh, lieutenant-colonel Adama m'a moo nekkoon à la DIRPA mu woote je veux parler à monsieur Fofana ma wuyu ko vous avez écrit quelque chose qui est faux mais bon on va vous envoyer un démenti je dis ok on attend ils m'ont démenti ma démenti bi ko mon j'ai reçu votre démenti mais je vais vous dire une chose le document que j'ai exploité il est public peut-être que vous vous ne l'avez pas vu c'est parce que je l'ai recherché pour le trouver maintenant si vous voulez je vous indique où se trouve le document mu ne ma d' accord connectez-vous vous êtes sur internet allez sur tel site ok cliquez sur tel lien ok faites ça faites ça faites ça Bon, mu egsi document bon maintenant votre démenti il est là si vous voulez je le publie mais je vous répondrai mm-hmm. bon si vous voulez aussi laissez tomber tout le monde me disait non tu as eu raison sur ñoom publie non écoutez l'armée là la mm-hmm. loo ci wax jeter le discrédit sur l'armée et il ne nous revient pas de jeter le district sur notre armée. Après, le colonel, s'il me respectait, on est devenus des amis et tout. Pour vous dire qu'effectivement, lolo, peut-être que sous nos formations antérieures, moi, nous permettons de nous tenir à retenue. Il y a des domaines sur lesquels nous, on ne s'aventure jamais. Parce que nous savons ce nous Il y a une loi sur la conservation des documents dans ce pays qui dit comment on doit conserver des documents, quelle est la période de diffusion, de communication, etc. Donc, tu as dit, professeur Mbaycham qui te dit que moi, par exemple, j'ai fait la base de données des magistrats du Sénégal de 1957 à 2012. Quand sa carrière mais ça c'est une une tombe Aduna du neex mu ba nga gis magistrat ba nga c'est comme ça Nous ñun des une di formation archives nationales lañ doon fait suñu stage on nous a amené aux archives nationales Nous jox ay documents Nous avons traité ñun avons benn jamono on est sorti de l'EBAT ñu génn on a travaillé pour un cabinet qui avait la gestion des archives de la présidence mais Bartar, quoi, archives archive présidence wax lépp. Quoi, wax archive présidence wax lépp. Parce que la présidence n'informe pas, elle communique. Voilà, la présidence n'informe pas, elle communique. Mais on en a vu du, même, du tout dans la gestion de ces archives. Mais parce que dès l'instant que tu es en face du document, la loi t'oblige à te taire. Mm-hmm. à ne jamais communiquer là-dessus. Mais les Sénégalais, je, je dis souvent mm-hmm. à mes étudiants que même sa facture d'électricité, mm-hmm amoulou droit détruire que fekk deful 10 ans. exactement. Euh, parce que c'est bu ko neexee mën tok dans huit ans plus tard mun la sa facture deux mille euh, euh, je sais pas deux mille mois. mais mais Sénégalais ne bari pas. ko. mais jëlal exemple Ablaye wad arrivé dans ci en 2000. Mhm. quand il est arrivé lan la def une histoire de reddition des comptes on a poursuivi des gens ici pour des audits et tout pourquoi ces audits n'ont pas prospéré. Simplement parce que la conservation des documents n'a pas eu lieu. Mm-hmm. Tu vas poursuivre Bachir Fofana pour des délits. a mm-hmm. donc c'est pour vous dire que le minimum de conservation de documents c'est 10 ans. L'homme voit même en matière de gestion. Mm-hmm. des finances publiques on peut te poursuivre sur ta gestion dans 10 ans. Mais comptable, voilà. Après 10 ans, ces documents, on ne peut plus les utiliser contre toi. Mais la, durée minimum de conservation des documents comptables et financiers, c'est 10 ans. Mhm. Donc maintenant, après, il y a des document qui est 20 ans, il y a un document qui est 50 ans. Les par exemple, les données à caractère euh, sanitaire, par exemple, ni un hôpital, un dossier. Mhm. Mais là, <laughs> le minimum de, de communication de ces données, c'est 50 ans après loolu moo euh, l'histoire de Talla Sylla on peut en parler encore. on ne peut pas bulletin médical am boobu bi ñu ko ne ñii ni marteau lañ ko door ñii ni chaîne lañ ko dóor. ba léegi nii. on ne peut pas euh, mënuñu am le le le bulletin officiel. non non non on ne peut pas il faut au minimum de 30 ans 40 ans. Mhm. pour que au moins loolu mu mën a nekk mu tomber dans le domaine public pour que nit ñi mën si am accès. mais est-ce que loolu mooy justifier que Bachir si li muy liggéey au quotidien. oui li tax ñu koy fay au quotidien. Mhm. doo siy prononcé wu. waaw. Wow, parce que en fait il am ñaar yu lay top. Euh, obligation du secret professionnel ak obligation de réserve man par exemple le domaine dans lequel je travaille moi, je ci invité je porte ma casquette secteur énergie ñu waxtaan énergie mhm. bu je prends la précaution de dire ah grand dañ vais ma invité énergie la donc j'enlève ma casquette de journaliste de communicant de chroniqueur mhm. pour parler du secteur mhm et je prends la précaution de le dire aux téléspectateurs lu wax ni ma qualité de. informer la hiérarchie avant Gaïdam. informer la hiérarchie avant Gaïdam. et d'habitude quand je suis invité dans pareille situation j'informe mon directeur pour lui dire je suis invité à telle télé pour parler de ça il me donne l'autorisation M. Gaïdam. Mhm. donc maintenant quand maintenant Ben Makhtar invite Bachir pour commenter l'actualité là je n'ai pas besoin d'informer sama lu bokkul ak sama la donc loolu mooy benn obligation de réserve boobu noonu dalay topp beneen bi obligation du secret professionnel am na yoo xam nga ko munoo wax donc da nga si da nga ci xaw a maandu tuuti da nga ci noppi bo demoon ba ciy wax tamit doo ci wax loo xam ne li kii yenn saa ma gis nit ku bind loo xam du dëgg mais fu may liggéeyee tax na du ma ko mën a wax mën naa ko woo si suuf ne ko sawaay li nga bind du noonu de lii ak lii moo xew bàyyi mu jàll mais je n'en parle pas en public J'évite justement d'être en situation de conflit du genre euh, il a il n'a pas respecté le droit de réserve ou le devoir de réserve donc loolu aussi l'union ñuy lu bingo xel la. bi ci ci presse bi. oui dem di communication. oui euh, li nga fa est-ce que tu meun nañu baser pour dire que par exemple ces nouvelles autorités biñu ñu dañuy confronté confronter aux rigueurs de l'administration. nous ñu fa fek ñu nek fa avec ñoom sans nous dañuy continuer di liggéey dañuy obligé conformer wu si li nga xam sénégalaise et ses contraire. la la plus la plus grande erreur de nos hommes politiques c'est de penser que l'administration est avec le pouvoir xam nga Ben, il faut savoir distinguer l'État, la nation le gouvernement l'administration l'administration c'est des sénégalais de tous bords ñu ànd ak yow wala ñu bak ak yow mais qui travaillent au service des sénégalais ils travaillent dans des ministères ils travaillent dans des directions générales dans des sociétés nationales dans des agences une idée mooy lolu. madame. maintenant gouvernement c'est une c'est politique gouvernement politique mon maintenant état bi moy ñun lu ñu la nation maintenant administration c'est au service du gouvernement L'administration est au service du gouvernement Bo démé constitution article 57. le premier ministre dispose de l'administration. aujourd'hui le chef de l'administration, c'est le premier ministre maintenant quand le premier ministre reçoit les orientations du président de la république il les traduit en actes de gouvernement et ni n'est ci administration ñoo koy exécuter Il hmm. ngi idée. buñ la nee dañoo war tabax école à Sor ca Ndar hmm. école bobu ñuy tabax ay agent ñokay def ñoy préparer dossier technique bi lancer appel d'offre bi et cetera ils sont au service de l'administration maintenant être au service de l'administration c'est comme ton caméraman mu ngi filmer hmm. mais ne lu mu xam ak lu mu mën na la ko bañ wax mais la nga bëgg la lay defal boo ko nee filmel plan serré wala plan large mu defal le plan serré ou plan large fa lay yem mais bis bu demee nag ba yow nekkatoo fi keneen ñëw mu ne la man plan de haut laa bëgg mu def plan de haut donc administration on a souvent tendance à confondre l'administration avec le parti au pouvoir or c'est juste des fonctionnaires qui travaillent qui font leur travail et qui rentrent chez eux le soir. Ils peuvent avoir leurs opinions, ils peuvent ne pas avoir des opinions, mais l'essentiel, c'est des fonctionnaires. Donc, pouvoir bu ñëw nag Ablaye Wade moo ko daloon Macky Sall moo parce que xamul c'est toujours un éternel recommencement tu vas enlever Ben Makhtar parce que yaakaar nga ni Ben Makhtar nguur gi la fi nekalon, nga indi ko xam mënul tu vas traîner traîner traîner jusqu'à aller rappeler Ben Makhtar et quand tu rappelles Ben Matar aux yeux de l'opinion d'ailleurs ragal ñu non c'est les transhumants or peut-être compétence et qualification plus que le volet politique dans le fi ñu beaucoup ñu après la chute du régime socialiste ba mu am ñu écarté après on les a fait revenir am avons ñu aussi autour de Macky Sall non la donc mais bu fekkente ne un euh, président Diomaye dafa ñëw te ci administration la parce qu'il ne faut pas oublier que à part l'épisode où il était en détention il était agent aux impôts donc xam na lu nekk biir administration xam ni dañ doon def liggéeyam pour la petite histoire amoon na ay jamono ngeen dégg fii groupe de presse bu un problème avec euh, les impôts. waaw ah, le groupe des médias le groupe des médias c'était Bassirou Diomaye mais voilà les gens les gens nous, xamuñu woon dossier des médias aux impôts Bassirou Diomaye moo exactement donc et pourtant dans la vie publique c'était un opposant. Dans la vie publique, peut-être, Bougan et des médias, ils étaient alliés, mais dans le cadre professionnel, il fait son travail. Et quand il faisait son travail, il le faisait avec toute la rigueur que cela demandait, sans pour autant dire, Donc, quand vous fait qu'un mom fofu, xamni kon dañ ko redressement fiscal la on espère que ils auront ce regard parce qu'ils viennent de l'intérieur. Ils auront ce regard de dire que tay ni ñu indi le ministre des finances Cheikh Diba c'était la cheville ouvrière de tout ce qui se faisait sous le régime de Macky Sall. parce que le directeur de la programmation budgétaire Moyen le budget Sénégal. d'ailleurs le ministre des finances sortant à wax. Wow. Euh, suñu Moussafa Moussa Ba. je suis satisfait. oui que vous tombions sur le roman parce que fiscaliste le mhm. ma que budgétaire. voilà demna mais euh, dellu le c'est mon frère. et je suis ravi de l'avoir euh, comme successeur. exactement donc xam quelque part on a beau dire lunaire, on a beau chanter la rupture mais il y a quand même des fondamentaux de la continuité qui seront encore là. parce que l'ol aussi l'ol Moi intérêt nous réunir. Mm-hmm. tu ne peux pas faire autrement que de continuer avec parce que si tu tey au palais Oumar Samba tu ne peux pas avoir été l'adjoint à Amine Tattal Qui est secrétaire général de la présidence tu ne peux pas avoir été l'adjoint à Maxime Jean Simon Ndiaye Qui est secrétaire général à la présidence tu ne peux pas être l'adjoint de Mohamed Boun Abdallah est le secrétaire général à la présidence pour ensuite devenir le titulaire de ce poste ñu yow état ou tu tu n'es pas c'est la mémoire vivante de l'état du Sénégal mm-hmm. donc tu boo si tu ne veux pas être aveugle tu es obligé de travailler avec lui donc c'est mooy ni ni Ousmane Sonko euh, Ibrahim Gueye. Ibrahim Gueye ancien préfet a été adjoint au gouverneur euh, Saint-Louis ancien préfet. il a été préfet de Pékin, il a été secrétaire général de ministère. Tu Omar Sarr euh, on on suppose que ni avons déjà l'administration parce que mon moyen est de premier ministre pour me préparer une taxi. exactement même une nomination exactement.

xëy na la nga d'accordul woon démb ak barki démb tu vas l'appliquer donc donc rupture yi ñu doon xaar ñëw faxas yëpp bale indi fi lu bees tax yaakaaroon loolu mën na am si yoon warul mën a am si yoon warul mën a am te bu amee gënul ci réew mi ci yoon warul mën a am te bu amee gënul ci réew mi ça veut dire li li li Macky Sall signé FMI Euh, par rapport au décaissement ñu war 325 milliards mois bi ñu euh, sur 1150 milliards pratiquement genre yoyu ñi ñew dañuy obligé mën renégocier mais totalement. xam nga fekk signé nañ ko parce que le circuit du du décaissement. Mhm. da ngay xam ni lo signé nga ko 6 mois ci ginnaw wala 7 mois ci mhm. parce que ñun quand même ci état projet ben Martar, ministre de l'économie et des finances, a signé une convention de prêt avec tel, sur tel projet. Mais pas xam qui bu nekk ci ginnaaw balaa ñoo toog signé. liggéey la si on ne des fois ça peut te prendre une année ça peut te prendre deux ans par exemple quand j'étais à l'ADM agence de développement municipal 2015 mm-hmm. ba 2018 ñu ngi négocié trois ans trois ans pendant trois ans équipe banque mondiale tous les six mois ñu def mission ñu wër Sénégal nous Commune yi identifier communes identifier ses problème dem seeti maire yi wax ak pour la petite histoire ba dem Ziguinchor di waxtaan ak Abdoulaye Balde, il était opposant ci bi il a rallié le pouvoir pour la petite histoire sommes dem mairie Thiès opposant moo ko mais parce que c'est un programme que la Banque mondiale veut financer lolu moy étape de maturation ñuy dem di dem di dem ba ñu est ok le projet est bouclé on connaît les orientations on connaît les objectifs on connaît euh, les indicateurs de résultats on connaît le financement l'exécution on connaît les modalités de suivi évaluation lolu yëpp boo ko nga jël dossier bi nak nga yóbbu ko conseil d'administration banque mondiale. dugg ci négociation. ñu dugg ci négociation finaux final lolo par exemple conseil d'administration banque mondiale pour nous, ko ça se réunit deux fois l'année, au mois de novembre et au mois de juin Quand li ngay dégg nii nous signé xamal approuvé nañ novembre Maintenant, nag loolu la approuvé novembre après nous mu fait les procédures bon disons la partie politique ce qu'on appelle la partie politique moi signé la communication etc. et mm-hmm. donc da ngay xam ni loolu yëpp day jaar ci circuit boobu balaa moo egg légui nak mois de juin nga dougalat ci diggante novembre bi ak avril dernier délai dossier yi nga xamné bëgg nga conseil d'administration banque mondiale approuver ko buñ ko approuvé nga xol nuñ leen exécuter à partir de l'approbation jusqu'au prochain conseil donc c'est dire que quelque part amna lu bëri lo xamné nit wax na ko ci biti c'est xeyna ñak xam réalité de l'intérieur. mo moo waral loolu il y a des contraintes qui vont te lier qui font que munoo def Loulou. dul mais maintenant bu la neexee nga renégocier si vous je ne fais plus recours à ce mode de financement je vais prendre un autre mode de financement bu ci avez rek avantage am inconvénient. Mhm. ndaxte tey li Ablaye Wade defoon fonds Hydro-Québec Elio. bi muy romb contrat voilà ça nous a coûté 103 milliards. ça nous a coûté 103 milliards pour payer euh, aux Canadiens pour partir pour que ñu nous. suñu on doit renégocier les contrats miniers contrats gaziers contrats pétroliers mais mais ça va te coûter très cher. est-ce que véritablement on peut travailler euh, sans ces institutions financières internationales. bon c'est difficile des fois les institutions financières ils ont un rôle de garantie pour les États xam nga boo xëyee dem banque ma xëy dem banque xëy na yaa ma gën a siiw benn maxtaar bu leboon cent millions ñu lebal ko Bachir bu lebee cent millions ñu ne la yow la les institutions financières hmm. ils peuvent ne pas te décaisser de l'argent mais ils peuvent te servir de garantie hmm. parce qu'ils te servent de garantie day tax am na ay partenaires yoo xam ne pare nañ pour lebal la xaalis par exemple un pays qui collabore avec le FMI emprunte avec un taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'un pays qui ne collabore pas avec le FMI. Parce que la femme, tout des risque pays. Le risque pays devient plus important. Mm-hmm. Quand le Ghana s'est dit je m'affranchis du FMI, le risque pays a été augmenté. Ce qui fait que là où les États allaient sur le marché financier emprunter pour peut-être euh, un taux d'intérêt 3, 4, 4%, 5%, à Gnome, ça dépasse les 10% parce que dañ la nan ah yow mi worul est-ce que tu vois un peu donc waxuñu ni suñu développement ci ñom le basé wu mais amal nañu jëriñ bo xamné il faut ñu tenir ci en compte maintenant nak après c'est des options de développement amna na keneen koo option de développement la am mais en tout état de cause suñu économie réew nu muy fonctionner ni. c'est forcément que nous aurons besoin de ces partenaires là. Mmh. Mmh le président de la république sera à Nouakchott ce mercredi. Mhm. Euh, d'habitude nouveau président yi France le ñuy dem choisir Nouakchott euh, au moment où on l'attendait à Bissau ou à Bandul par rapport au dossier Casamance Nouakchott le pont de Rosso Nouakchott euh, partage de production au niveau du pétrole les licences de pêche pour euh, c'est une bonne option Est-ce que c'est pas une manière aussi de montrer que dit tient à cette union africaine-là Bon, Mandei, très franchement, euh, je salue Noumoudem Fof. Euh, ben, sous nous nous on doit faire très attention à nos voisins immédiats. Parce que, bizarrement, le Sénégal est un îlot de démocratie dans un océan d'instabilité Nous, avons fi xaw am démocratie à Gambie lu si des donc raffermir nos liens avec nos voisins lu am solo la maa ngi dégg suma grand Yoro aujourd'hui il n'existe plus la guerre en Casamance il n'existe que des rentiers de la guerre ils veulent faire entretenir la guerre parce que d'ailleurs ça pour la petite histoire quand j'ai vu des gens eu ay drapeau MFDC dama c'est des plaisantins parce que en réalité il fañ a defee le règlement lay c'est des plaisantins parce qu'ils l'ont fait en public mooy madame, ils ne constituent plus une menace mais aujourd'hui la menace djihadiste elle est là elle est là aujourd'hui la dernière attaque djihadiste connue et c'est à 60 70 kilomètres de la frontière sénégalaise, du côté du, de l'Est vers le Mali. Donc ça veut dire que la menace est là. Donc, partir de cette diplomatie de voisinage pour c'est quelque chose que je salue. Je pense que le président Macky Sall, ça, le sa première visite officielle, à part ba mu en France non Gambie la Gambie la démon donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui nous lient à la Mauritanie les licences de pêche de plus en plus nos eaux territoriales n'ont plus assez de poissons et que de plus en plus nos pêcheurs vont vers la Mauritanie Il y nga des garde donc le pétrole et le gaz euh, la prochaine production de gaz attendue c'est le gaz de GTA et le gaz de GTA nous le partageons avec la Mauritanie la plateforme, c'est au large de Guednar, mais c'est pour les deux pays. Donc il y a une loi de partage de la production entre la Mauritanie et le, Sénégal, parce que c'est la même entité qui exploite ici et qui exploite là-bas. Mm-hmm. Donc loolu mooy bien bi gis ngeen fan yi un redressement fiscal sur cette entreprise là. mais ce redressement fiscal là c'est fait conjointement avec la Mauritanie selon nos informations. Mm-hmm. et que c'est la partie sénégalaise tombé sur 17 milliards mais la partie mauritanienne c'est peut-être même montant ou même plus mm. donc d'ailleurs poursuivre poursuivre en Mauritanie mais le bu c'est parce que le Sénégal et la Mauritanie sur ce dossier loxo di ci dem mm-hmm. avant la dernière conférence de presse connue c'est le ministre de l'énergie de la Mauritanie le ministre de l'énergie du Sénégal nous avons défendu donc tous ces éléments font que effectivement, aller vers ce pays, ça devient quelque chose de normal et de naturel. Et que moi, je salue. Parce que, euh, ben, nous avons pétrole et gaz, nous avons de l'exploiter. exploiter. Mais si on commencé à exploiter, c'est minimum 600 à 700 milliards par an de recettes. Mm -hmm. Et nous, actuellement, sous nous, sous nous, les recettes sont ce qu'elles sont. Ah. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de marge, il y a beaucoup de difficultés alors que l'OL, c'est de l'argent frais qui est là qui te permet d'avoir des marges budgétaires pour li nga des marges budgétaires peut-être pour investir d'avoir des marges budgétaires peut-être pour soutenir les populations les plus démunies parce que 700 milliards bu yokk budget mais c'est beaucoup de possibilités. Mm-hmm. Euh, la ban lecture la visite d'hier du président. à Touba à parce qu'on l'a traité de salafiste de ceci de cela de ceci, de et à l'arrivée, parce qu'il il n'a fait qu'une semaine de campagne, Bimou Idem, Fanfan Ronald Binti Sohlaoun Yep, Dougousi, mon visite privée le def, Dem Def Limou Def, Wahak les deux khalifs, fait Def déclaration, Pour Priyaou, euh, ça montre qu'il reste sénégalais dans tous ses fondamentaux. Non, il est sénégalais. Je sais le président de la République, euh, dama ko doon wax benn jour sama jarbaat ma ne ko euh, ku ñu tànn def la njiit les attributs yu ngay àndal dañ koy day nekk ci yow bokk na ci lu ma neex ci moom teeyam ak dalam donc on salue tous sa nu mu tuddati yar bi nga xam ne c'est légendaire en lui bon man j'ai eu à le côtoyer une ou deux fois balaa muy nekk balaa muy nekk euh, président mais effectivement ku yarul la effectivement ku xam lu y la ku maintenant quand tu es dans un parti qui a été longtemps catalogué comme parti boo xam ne suñu et compte tenu même de certains propos que certains tenaient donc on se souvient tous de ce que Ngagne Demba Touré a dit ici et qui reste à travers la gorge de képp ku on se souvient que par exemple tey jii na il s'identifie à ce parti dañ doon toog di yak suñu kilifa diine yi loo xam ne bis bu nekk nga ñaawlu ko donc tey jii nii moom bu jógee dem ci kilifa diine yooyu moom moo jóg dem kon kilifa diine yi fa ñu toogoon jóguñu fa loolu ngay njëkk a jàpp c'est-à-dire que suñu kilifa diine yi fu ñu mës fa pouvoir temporel ak pouvoir spirituel ñoo mës ci réew mi ku ñu jox fi nguur kep ku yor nguur ci réew mi tu as toujours collaboré avec le pouvoir temporel le pouvoir spirituel Delul ba ci Blaise bon ba muy nekk député Delul ba ci Galandou Diouf mi ko fi wuutu dellul ba ci Senghor ba muy soxla réew ba Abdou Diouf à na jamono nous wax ñett Abdou yi mhm. lu taxoon ñu wax Abdou yi ah. Abdou Diouf Abdoul Aziz Dabah al ami sëñ wax donc ça veut dire que la collaboration a toujours existé et la collaboration existera parce que qui dit militant bi je talibé. bi qui hmm. dit militant bi je talibé. bi kon le président de la république bu démé ci khalifa yi seeti len lu ko war la hmm. et quelque part ça était ce début de polémique bu commencé à am parce que dans la campagne ñu né jaaru fa waaw euh, def na investiture am di sant ay nit leen mais ça était la polémique ça était la polémique une fois que la polémique était après nag ku nekk da ngay xam lan mooy sa wareef ku nekk da ngay xam fan mooy sa place am na loo xam ne président munu ko kilifa diine yi ñoo ko mën am na loo xam kilifa diine ko président moo ko mën kon nag ils sont obligés de collaborer mais quelque part effectivement moi je veux dire que quel que soit ce qu'on a pu dire par-ci et par-là sunum réew dañ ko moñalé ak sunu yi nañ ko président mo mm-hmm. alors euh, Bachir il nous reste euh, une dizaine de minutes. Mm-hmm. Euh, on s'attend à compter de demain avec la réunion du conseil des ministres à ce que. Euh, commençons à mm-hmm. ce que démaquiller. oui. Mm, il dit d'autres têtes C'est une mhm. demande sociale ou bien il va gouverner avec ses hommes tout simplement Non, c'est une procédure normale. Disons que gis États-Unis euh, le spoil system gis nga États-Unis entre l'élection du président de la République et l'investiture du président de la République il se passe minimum trois mois on vote le 4 novembre on élit on installe le président en janvier xam nga diggante boobu lan moo si war c'est le moment où Ben Makhtar mii Bachir war a remplacer ñu commencé collaborer ba buy dem du am rupture. c'est moom la ñuy wax la spoil system. ñoom boo demee États-Unis par exemple dañu ne benn Makhtar moo war a nekk le secrétaire d'État mooy ministre des affaires étrangères tànn nañ ko Sénat validé na ko mu commencé liggéey ak ki fi nekk mu commencé indi ay nitam. nous commencé son directeur de cabinet son chef de cabinet son conseiller en communication son conseiller politique nous commencé di ànd di donc ça c'est une période pour amener nous les lay maintenant malheureusement à sommes au Sénégal mais forcément tout pouvoir qui arrive est obligé de venir avec ses hommes tey nous ñu conseiller Macky au palais à part peut-être les fonctionnaires, les diplomates que le président peut reconduire ou changer, président d'Union avec ses nouveaux conseillers. Il y en a qu'on conseille à la primature, même chose. Il y en a qu'on conseil dans les ministères, même chose. Maintenant, après, bu Fateni, l'union donne lu ñu nous c'est des politiques donc parce que c'est des politiques ils vont prendre des gens qui les ont accompagnés dans leur ascension politique à des postes donc on s'attend à ce que quelqu'un ñu nommé directeur général quelqu'un nous ñu nommé ko PCA quelqu'un soit nommé secrétaire général c'est tout à fait normal mm. maintenant l'union ñuy wax rek j'ai juste un problème à ce niveau c'est que nous avons les nominations se font par appel à candidature mais le temps aussi hein. justement quand est-ce que tu auras le temps de lancer un appel à candidature pour prendre euh, quelqu'un à ce poste muy Ben. Et si tu fais un appel à candidature et que Ben Maktar a meilleur profil que ton, euh, le gars qui est avec toi, qu'est-ce qui va se passer Donc, quelque part, toujours la réalité de la gestion quotidienne du pouvoir va les rattraper sur beaucoup de choses. opposition, Beaucoup de choses bo deful dank dalen dab parce que tey ni ils ont parlé de suppression des des fonds politiques mais loolu mënul am rew day am fonds politique yow sa cœur sax am nga fonds politique. parce que bo jëlee sa salaire génne lu ngay fay sa cœur lu ngay fay sa ñangum doom lu ngay fay la des sa weccet fonds politique lu la neex nga ci def. Mm-hmm. maintenant un état n'a pas besoin tey jii président de la république sétina Khalif général de Tidiane sétina Khalif général de Mourou, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar au passage mais seeti bu mu leen seeti bu fa yëkkatee dërëm joxe ko mais du ko bind fenn. Mhm. duñ ko bind fenn. mais loolu lay fond politique ak leneen ak leneen ñoo xam ne feebar nañ tey jii ñu ngi nii dégg nañ et ma koy saluer aussi que président de la république nee la bibliothèque de Senghor. bi nga xam ne dañ ko doon jaay aux ventes aux enchères. nañ ko dakkal état du Sénégal dina ko jënd. mais loolu bu ñu koy jënd ci fond politique lay jógee. parce que c'était pas prévu amul budget bu ñu ko prévoir pour loolu. Mohamed Boun Abdallah y yalla ko yalla yeureum ba mu génnee aduna dégg nañ ambassadeur bi taxaw mu ne président nee nañu nañ en charge tout ce qui est trait au au funérailles au rapatriement ak yoy yu mel non fonds politique di jëriñ maintenant malheureusement il y a une partie des fonds politiques que les gens n'aiment pas voir ça c'est vrai moy militants yi dajaloo nañ dem nañ palais mais nañ len ci passe affaire yoy nonu euh, miti tournée politique bi ak c'est vrai il y a une partie qu'on n'aimerait pas voir mais il y a une partie très utile sur les fonds politiques bo xamné lolu utilité et on va continuer à le préserver parce que lu bax ci réew mi donc euh, le président de la République ce nouveau gouvernement il va faire les deux travailler avec des gens qui étaient là parce que néna naa la que ñep ñu nek ci administration politique ñu c'est des gens yo xamné une liguey mo len bayyi fu ñu compétence mais aussi ils vont faire venir des gens à eux sur des postes yo xamné donc ñaar dina am donc effacer tout je ne pense pas. Prendre que des politiques, aussi, c'est pas bien. Il faut savoir faire le bon dosage, Mixeco. entre les politiques que tu amènes et les gens que tu as trouvés. Encore que, des fois, il y a des politiques très compétents. Mhm. Mais malheureusement, on ne voit pas leurs compétences. On ne voit que leur casquette politique. malheureusement parce que tey euh, il a une compétence avérée parce qu'il travaille à la caisse de dépôt et consignation mhm. mais on ne voit que son aspect politique alors que amna xam-xam. Mhm. donc lolu aussi nañ ci bàyyi xel amna ñu am xam-xam mais bon qui font de la politique. Euh, c'est par quoi on aurait dû commencer cette émission. Euh, da ngay que sur les plateaux de télévision. Mhm. analyser ak est-ce que c'est c'est c'est difficile aujourd'hui euh, parce que sank man kay wax un journaliste buy analyser fay dem sur des sur le factuel. tout à fait le fait que nga diar EBAD aussi. Mm. yow da ngay bëgg toujours di sourcer li ngay wax. am foo di jeli on sent qu'il y a beaucoup de recherches oui est-ce que yomb na dans un pays bo xamni que ni pratiquement populisme rek la démé demee ma neex yow lay waxal li la wa rew ñu bëgg dégg dina wax loolu euh, assez souvent nga jël ay positions yo xamni que ni ñu si bari Sénégalais duñuy bëgg di dégg lolu mais à l'arrivée di nga toog nga seeraanal sa bopp nga ni j'ai pas eu tort. lii ma def ni moy li ma gëm. Mhm. Euh, buñ ma si méré baxna na daf mel euh xaru lo waw góoru askan wi. non xam nga euh, dafa am ñaar gis nga ben premièrement dans les médias dans les médias dafa am quand tu fais de euh, du journalisme pur il y a des genres rédactionnels mhm. donc le genre reportage le genre compte rendu le, la brève, le billet, hein, le commentaire, l'éditorial, la chronique. bu ci nek amna lu lu exactement voilà loolu moy bien. maintenant euh, man quand je donne des cours de journalisme je dis aux gens qu'il y a deux branches il y a le, genre factuel et le genre opinion. donc commentaire c'est une opinion chronique c'est une opinion éditorial c'est c'est une opinion billet c'est une opinion. Mm-hmm. donc maintenant médias aujourd'hui nous sommes dans une tendance à commenter l'actualité et pour commenter l'actualité tu as besoin de commentateurs de l'actualité maintenant on les appelle trivialement ñun chroniqueurs mais c'est des commentateurs de l'actualité ça peut être des journalistes ça peut être des gens qui sont pas journalistes est bien. deuxièmement pour le faire il faut du vécu il faut du vécu donc le vécu généralement d'habitude dans les grandes rédactions c'est des gens qui ont 15, 20 ans de métier nga dund voilà des fois tu peux aller prendre un universitaire spécialisé dans un domaine dans de grands groupes de presse on n'a pas on a un chroniqueur en fonction du sujet traité mais nous, ce qu'on appelle chroniqueur ici nous sommes des commentateurs de l'actualité. par exemple à oui euh, euh, voilà. voilà Moussa Moussa justice. Diagne c'était un chroniqueur. lu parce qu'il travaillait dans la justice. Mhm. peut-être mënul je m'appelle Madjambal Diagne hmm. mu Moussa Sarr di des chroniques judiciaires sur le fonctionnement de la justice je dis souvent que Sénégal fi ben chroniqueur la actuellement muy Daouda hmm. Dans quand il fait une chronique il l'a fait euh, sur la justice et le fonctionnement de la justice donc muy non maintenant après euh, bon ñu moi je les appelle commentateurs publics hmm. donc on commente l'actualité maintenant pour commenter l'actualité qu'est-ce qu'il faut un rester factuel le fait est là Bon, waxee fait qu'est-ce que disent les textes Moi, waral recherche boobu nga que def nga ni li ak lii exemple bu lay décret passeport diplomatique etc. mais en réalité le président n'a fait que régulariser une situation parce que le décret disait que seuls les députés membres du bureau de l'Assemblée ont droit au passeport diplomatique, mais depuis Wad, on donnait le passeport à tous les députés. Donc, il fallait un décret régularise ça. Donc, etc. Donc, qu'est-ce que dit le fait Qu'est-ce que dit la loi Après, maintenant, quelle est ton opinion Ton opinion, moi, est C'est vrai, Macky Sall a régularisé une situation, mais la régularisation arrive tardivement, au moment où il s'en a, où, où il s'en va. Mm-hmm. Est-ce que L'egalité légalité moralité may ko tu vas te dire est-ce que c'était élégant de prendre ce décret à deux jours de la fin de son mandat xam nga bu boobaa l'opinion la mais maintenant normalement comment on doit procéder pour analyser un fait mais malheureusement ce pays-là nous sommes arrivés à une situation très clivante aujourd'hui les chroniqueurs ne sont bons ou mauvais qu'en fonction de ce qu'ils disent et qui plaît à ceux qui les écoutent. Mhm. Par exemple, nit ki day tok jàpp ni benn fi meun parce que li nga bëgg a dégg loolu benn maxtaar di wax. xooloo ndax lum la ndax yow lum lay wax baax na wala baaxul la wala du da nga nan diw mo baax parce que tu as tendance à avoir des a priori sur une chose les a priori que tu as, celui qui te conforte dans sa il est bon, il est objectif. Celui qui te dit non ngane non non, il n'est pas bon. moi par exemple, le président de la République a annulé les nominations de Macky Sall euh, au Conseil supérieur de la magistrature. Dama un je trouve que c'était pas élégant pour Macky de prendre cette décision avant de partir. De, bon, il aurait pu laisser les gens continuer, surtout que la loi prévoit que si Ben est le président de la Cour suprême et qu'il est à la retraite, le magistrat le plus âgé, moi nommer Kenen. Donc, il n'y avait pas de vide, Ben. Deuxièmement, comme l'eau, le président Bignon, tan comme tan. Mais comme def noko, mais le président Bubès Bitam, vous faites qu'il le Macky Sall def endossé, il a le droit, nous mais pourvu qu'il nous dise yon et que yon nous dise voilà mais en disant ça ça m'a attiré les foudres des gens mais non je rappelle ce que dit la loi le président de la République en prenant un acte de euh, pour revenir sur les décisions du président de la République sans passer par le Conseil supérieur de la magistrature il a violé la loi donc ça le dire parce que tu dois le dire et que les gens se fâchent parce que moi je dis ok moi je préfère même si plus tard, le temps me donnera raison. Dans ce pays-là, il est interdit d'avoir raison trop tôt. C'est ce ñuy daal suñu classe gi classe. da ngay wax loo xam ne tey nit ñi dinañ parce que ce nañ ni li nga wax c'est pas normal wala du dëgg nga dem ba ci biir tu te retrouves à dire ah c'est ce leen waxoon gis ko tey jii je donne un exemple quand Macky Sall s'est acheté la Mercedes Maybach là une grande polémique dafa taxaw ñëpp yuuxu waaw oto 1 milliard lu mu koy jënd ana oto bi tey. ana bi dem na bàyyi fi oto bi. kan moo dugg ci oto bi. te pourtant ñoom ñoo Sénégal am na yeneen priorité soxlawuñu un milliard mais auto boobu tey ñoom lu tax ñoom ba ñëwee jaay pourtant quand le président l'avait j'avais dit attention la sécurité et le confort de notre président de la République n'ont pas de prix. Tu es le président des 18 millions de Sénégalais. Tu es le président qui décide de la vie ou de la mort de nos militaires. Parce que bonnet, on engage une guerre, des gens vont mourir. Tu es le président qui décide de où sont nos budgets d'idem. Mais Ben Mahtar, si vous avez des conditions, vous avez am thé ou bakan, vous avez ligué pour les Sénégalais. Là, vous avez fait. Sama xarit bi lañ ko jaay Abdou euh. Aziz Thiam def naan ma mais ñii xamuñu wax lan la. parce qu'on a respecté toutes les procédures. Le Sénégal mais justement mais xam nga xaw ma woon ni sa xarit mais man de l'extérieur, je dama disais, mais attention c'est normal de mettre un président de la république dans un dans un certain confort. mais xam nga tey jii nii ko les gens pensaient que tu le disais pour Macky Sall. mais Macky Sall dem na à fi oto bi Bachir Diomaye moo ci dugg kon nag la ñu ci confort ak sécurité ci Macky Sall moom la ñu bëggal le président donc c'est pour vous dire que des fois il est effectivement dans des situations yo xamné lolu dalay dal nga wax lo xamné la clameur dalay top parce que le pays est mal de vivre ça oui ça fait des fois mal mais des fois non des fois oui des fois non xam nga lu ci def mal nous sommes tous issus des familles des fois amna lo xamné kuko ne ci yow du neex sa yaay du neex sa mak du neex sa rak du neex say dom parce que dañ doon nan wali est-ce que jarnako c'est ça qui peut faire mal effectivement mais après ñoom aussi dañuy comprendre ni Dès l'instant que tu acceptes d'être dans l'espace public, il faut accepter les contraintes de l'espace public. chaque jour. Mhm. L'espace public est tel qu'il est aujourd'hui. les journalistes ou les médias ne sont plus les seuls producteurs d'informations. Mhm. Et, ce qui fait le plus mal, moi, mhm. Bachir, de intervenir, d'analyser, mm -hmm. de Non, non, mënoon nga toog dans ton coin. mais non mais Ben, li ngay def. mais Ben man fay du ma. voilà Ça nga en fait les gens pensent que da ngay toog ñu ne man ah yéen da ngeen télé yi di wax man dama am liggéey. waaw man am surtout ça man j'ai un salaire. Mm-hmm. je travaille quelque part où je suis le directeur de la communication. Mm-hmm. damay xëy dem liggéey liggéey ba wàcc maintenant bu ma wàccee 16h 17h mon temps libre y a invité ma parce que l'ennemi aussi chaque jour mhm. je ne vais pas là où on ne m'a pas invité exactement man la wo ne la ben invité vraiment Je nga 2STV euh, mhm. ba nu TV mhm. ba tay la grand invité franchement musuma la wax nu la ko wax wax parce que moi, je me dis toujours que nit ki bu yaakaaree ni bu actualité Dina wuy ici. Mhm. te fekk tamit man ma am luma ci wara wax des fois nit woo ma ne ma ci li la bëgg wax mais la ah aw ma ci xam-xam mhm. demal seeti diw mhm. kooku la japp ni mom moma ci xam-xam ma ci wax aussi dama koy def mais ça ne me nourrit pas ça ne me nourrit pas la la seule nourriture que j'y ai c'est de dire nous on doit à cette communauté de leur dire li lañu parce que yalla may nañu ñuy wax suñu xalaat ça ne veut pas dire ñoo dakk jang ça ne veut pas dire ñoo ëpp xam-xam mais lolu rek moy lo xam li ni le plaisir qu'on en tire mais y a pas de salaire y a rien nit ki bu la invité yaay taal sa auto, yaay lak sa carburant yaay jël sa temps pour ñew waxtaan ak nit ñi jox ko contenu jox ko contenu mom contenu bobu nga koy jox mu duggal ko YouTube mhm. mu am ay vues ñu fay ko si te buñ ko si fayé du yëkkati dërëm delloo la ko et pourtant mais tout ça on l'accepte en disant que mais bon voilà nous avons décidé d'être sur l'espace public nous avons décidé d'éclairer euh, euh, les faits publics par nos avis ça ne veut pas dire que nos avis c'est la Bible ou le Coran mais nous avons aussi les contraintes qui s'y attachent hmm. quand bien même aussi amener beaucoup de plaisir xam le plaisir que tu as hmm. nga romb ah Bachir kontaan na ci li ngay def lu nga def rafet na ñaanal la mais lool kenn mënu ko fay. yeen mëno mëno leen ñu fay loolu. tout à fait bu ñu donner une opportunité. de nous exprimer lu ma sama benn grand di wax ku bëgg fu mu waxee. boo ko mayee fu mu waxee fay nga ko. Ah, ah, tout à fait parce que yow fay nga ma. Mm-hmm. parce que tay ji may nga ma possibilité téléspectateur chaîne bi sétane ma. moom laa doon wax benn benn dame à la grande mosquée de Saint-Louis. Mm-hmm. Euh, samedi bi ñu jullee gee ba pare mon nom suivre. Euh, mhm. s'appelle euh, son fils s'appelle Papfal. Nous ñu presque une heure de temps bi donc c'est un plaisir extraordinaire. effectivement effectivement j'ai été interpellé mhm. et puis même chose je lui ai accordé 30 minutes mais ça va tu m'as accordé 30 c'est normal tu m'interpelles. j'ai dama lay déglu ñu taxaw waxtaan waaw wax nga lii d'accord ma ma ne ko waa ok lii ak lii wax nga lii d'accord ma wax nga lii d'accord ma on s'explique et à la fin on échange des numéros ñu continuer waxtaan bi après sur WhatsApp et voilà ce plaisir là boo toogul woon ci tele bi mm-hmm. doo ko mën a am tout fait kon nag loolu noonu mun pour ñun loolu mooy payoor gi voilà payoor googu noonu moo ñu ëppal dërëm ak ñaar dërëm boo xam ne bi ñu encore que bu fekkonte ne Europe la mm-hmm. chaîne bi moo leen di fay. boo génnee gars jox la Sénégal rek laa gis nga invité nit mu wax ba pare. Hmm. mu dem nga ne ko jërëjëf Europe boo hmm. génnee. sa chèque mu ngi taxaw di la xaar. ñoom toll nañ foofu bon on comprend que aussi les télévisions amuñu beaucoup de moyens. on comprend que télévision yi dañuy góorgóorlu mais xeyna bis dina ñëw ñu tollu fofu ah, mais ça va venir. ça va venir malheureusement ñun dañ koy liggéey pour ñeneen. voilà <laughs> waaw <laughs> pour pour nos jeunes frères. en tout cas ce fut un plaisir Bachir merci beaucoup. waaw merci merci grand merci vraiment de de nous avoir permis de ñu tok fi waxtaan. et puis euh, comme lu ñuy wax toujours lepp lu ci rafet ci lu ñuy wax ñu santé ko suñu borom lepp lo xam ni ñuy rafetlu lu ñuko ñu ngi leen ci jéggalu parce que euh, parler en direct, c'est wow, c'est pas facile. Mm-hmm. Donc parler en direct, c'est des fois compliqué, des fois nit wax nga wax ni ñi déggé ko ni wala nit déggé ko mais en tout état de cause, ay nit tay wax mm-hmm. ño xamné dañuy joxé sen xalaat. Ils ont juste une opportunité de s'asseoir et de donner leur xalaat mais ñi ñi déglu ñoo ñu ëpp xalaat chaque jour mo ko. Ñun quand on était euh, jeune journaliste, ben jour Daouda Diara que je salue au passage, daf ñu wo ñu tok mu ne ma boy tu as écrire sur l'économie mon ne Mon des professeurs d'économie te lisent Quand mhm. tu ngay bind na la wóor ah, waaw te boo bindee ba et l'humilité de comprendre que yo, tu ne connais qu'une partie du, de, du tout c'est ce que Elamine Lo euh l'actuel secteur ministre secteur général du gouvernement disait oui lépp loof lu ngeen wax oui ñun ñi ngeen jàkkaarloo ñun ñu 36 36 donc venez vers nous et apprenez <laughs> ils ont été obligés et il a parfaitement raison merci beaucoup cher ami Bachir wow, merci un plaisir plaisir euh, partagé voilà mm. mesdames et messieurs demain on sera avec euh, Moussa Kaba on va parler islam euh, science on va parler de la place des religieux euh, tout ça et puis les législatives à venir euh, question vous abordez ma ak Bachir merci en tout cas ce fut tout un plaisir de partager ce plateau avec Bachir parce que euh, je l'aime bien il est il est plus courageux que moi <laughs> parce que moi, li muy wax du beaucoup, c'est pas dire euh, man ben yon lañ ma heurté ma ne bon na ngeen ma parce que ça fait très très mal quand on te critique te wóor na ne que ni ñi lay critiquer. gënuñu la ëpp ñu la xam-xam. ëpp ñu la euh, dayo ci réew mais bon euh nga nangu. da nga nangu dans l'espoir que ni un jour les Sénégalais comprendront euh, comment les choses se passent. nous vivons des moments très très difficiles parfois surtout nak bu la gaay jëlé sur les réseaux sociaux. nak yak la ka te fekk yalla xam na ni du début à la fin, euh, tout est faux. Mais bon, j'ai euh, jeu démocratique, mais bon, moi, Merci donc à tous ces fidèles euh, téléspectateurs. On va se retrouver demain à 16h. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous.